Salut À la recherche du groupe perdu, émission 52. Et après le Togo et le Bénin les semaines passées, on part pour deux émissions en pays Wolof, Malinké et Peul au Sénégal. Le Sénégal devient indépendant le 20 juin 1960 au sein d'une éphémère union avec le Mali deux mois plus tard, le 20 août, le Sénégal se retire et devient indépendant sous son propre nom. Léopold Sédor Senghor, poète écrivain, qui approfondira le concept de négritude, notion introduite par Aimé Césaire, devient logiquement le premier président, et ce jusqu'en 1980. Il était très proche de la France. Il s'oppose au tenant d'un panafricanisme socialiste promu par le Guinéen Sékou Touré et dans une moindre mesure par le Malien Modibo Keïta. Poète empreint de griotisme et président éclairé, il favorisera les arts et les lettres. Sa politique culturelle s'inscrit logiquement dans l'idée de négritude. Il cherche en premier lieu à revitaliser les arts traditionnels afin de cimenter une identité nationale distincte, mais sans lui imposer une marche forcée comme ce fut le cas en Guinée avec le concept euh, d'authenticité authenticité culturelle prônée par ses Touré. Sangor est plutôt versé dans la littérature, la peinture et les arts textiles. L'orchestre des forces armées sénégalaises voit également le jour, tout comme un ensemble instrumental traditionnel où l'on retrouve des griots et des joueurs de kora. Des semaines nationales de la jeunesse visent également à promouvoir les arts et le sport. Contrairement au Mali et à la Guinée, l'État sénégalais ne favorise pas la création d'orchestres au sein des 11 régions du Péri. Tous les orchestres modernes qu'on va écouter aujourd'hui et la semaine prochaine euh, relèvent donc d'initiatives privées. Plus que n'importe quel pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal est durablement imprégné par la musique cubaine. Ce répertoire afro-cubain forge la matrice de la musique moderne sénégalaise. Les mornas et coladeras capverdiennes sont également très présentes dans la vie musicale dakaroise en raison de la présence d'une très importante communauté issue du Cap-Vert. De mère sénégalaise et de père euh, capverdien, Luis Bera da Fonseca est l'un des pionniers de cette, de cette fusion de genres. Parfaitement à l'aise dans le répertoire cubain et latino dès le milieu des années 50, où il vient tenter sa chance en France et en Belgique, accompagné de ses anges noirs. Les liens entre Dakar et la Havane paraissent naturels au gré d'enregistrements d'orchestres fondateurs comme ceux du Star Band de Dakar, de l'orchestre Baobab et de nombreux groupes qui ont suivi cette constellation, il a toujours été question de stars et, de, et autres étoiles dans l'histoire de la musique moderne sénégalaise. L'impact du Star Band de Dakar sur la musique sénégalaise moderne est vraiment décisif. C'est un groupe précurseur de ce qui deviendra ensuite le Mbalax, le style le plus populaire actuellement au Sénégal, même s'il est largement repris à la sauce commerciale. Cet orchestre fondateur a marqué des générations entières de, de musiciens les noms stars ou étoiles sont restés jusqu'aux super étoiles de Yusundur, en passant par l'étoile de Dakar, le Star Number One, le Super Étoile ou encore l'étoile de Tous ces groupes au nom stellaire illustrent cette envie d'aller plus loin, de se dépasser et surtout de s'inscrire dans une modernité évidente. Les orchestres modernes sénégalais se mettent pourtant en place, mais moins rapidement qu'au Ghana, euh, en Guinée. Euh, ou au Mali, pays où la musique devient une affaire d'État lors de, des périodes d'indépendance. En 1960, l'orchestre Starband voit le jour sous l'impulsion de Ibrahima Kassé, le père de la musique sénégalaise moderne. Il est le propriétaire du club Miami situé dans le quartier de la Médina à Dakar il rassemble des musiciens divers comme le percussionniste guinéen Amara Touré, le chanteur gambien Laba Lossé ou le saxophoniste nigérian Dexter Johnson. Sans aucun relais discographique, l'orchestre vise avant tout à faire danser la bourgeoisie locale et les Européens. Sous la houlette de Cassé, également bassiste et chef d'orchestre, le Star Band s'étoffe progressivement. Il adopte des instruments électriques et une solide section de cuivre. Son répertoire est alors exclusivement afro-cubain avec rumba, merengue, pachanga et cha-cha-cha. Petit à petit, le groupe incorpore le folklore musical local, notamment Wolof, Malinke et Peul à son répertoire, ainsi que les tambours saba et tama, des instruments traditionnels que Cassé souhaite incorporer afin de s'inscrire dans une tradition locale. Les musiciens vont et viennent au sein du Star Band, certains d'entre eux gagnant Abidjan, Outre la balle C qui infuse une langueur inédite à la salsa au sein du Star Band, le chanteur Papé Sec affirme également ses talents vocaux. Originaire de Dagana, au nord du pays, la région du fleuve Sénégal, Sec est d'origine wallo, un peuple longtemps réduit en esclavage par les morts. Il effectue ses débuts au sein du Star Jazz de Saint-Louis, où il joue de la flûte et du sax. Lycéen, il arrive à Dakar pour y étudier mais il se consacre rapidement à la musique. Très inventif, il est le précurseur de la musique euh, moderne sénégalaise, l'un des premiers à intégrer la rumba latino au tama, qu'on appelle aussi talking drum, d'une manière générale en Afrique de l'Ouest, même s'il a ses variantes locales. Comme Dexter Johnson, Sex s'exile euh, un temps à Abidjan, où il forme son propre orchestre, le Negro Star. De retour à Dakar, Papé Sec réintègre le Star Band en 1971 c'est là qu'il enregistre une première euh, version de Thierry L'Oiseau, l'un des titres phares des années 70 sénégalaises. Il adapte ici une mélodie d'un orchestre portoricain, El Gran Combo. Chanté en Wolof, ce titre devient le premier grand succès afro-cubain et sénégalais. On commence par là, tout logiquement. Le Star Band de Dakar avec Thierry, on est en 1970. quién. Ven, ven, ven, ven, así me canto un guajiro nuevo, así me canto moleando café, ven llorar. ken Y ipa ojiji ma jeli uy jeli we jeli no zunu jeli no. jẹ́ni pour ce premier morceau. Thierry, le jeune Marsec devient chanteur de la troisième formation du Star Band en 1973. En 1977, alors qu'il vient d'intégrer le Star Band, le jeune Youssoundour chante qu'il faut respecter les conseils de ses parents, qui recommandent à leurs enfants de ne pas aller à la plage en raison des noyades sur Guetté, la mer, musique.

1977, c'est l'époque à laquelle le Star Band explose. Les doyens du Star Band fondent alors le Star Number One. pape Sec devient le chef d'orchestre et l'un des chanteurs. Transfuge de l'orchestre Sahel, Papa Djibiba le second au chant. Dans les clubs de Dakar, le succès du groupe est immédiat. Pape Djiba contribuera largement à créer encore un peu plus la rythmique traditionnelle dans les chansons produites. Comme jadis dans le Starband, Papé Sec, Jibiba, Magete Ndiaye ou encore Doudou se répartissent les vocaux. Ils sont accompagnés par un trio d'instruments avant, trompette, sax alto et sax ténor. L'orchestre publiera deux albums sur la marque de disque Griot et deux autres sur un autre label en 1980. On s'écoute un morceau de leur premier album Mam Bamba Mariama. Le second paru en 1977 s'appelle Faran Tamba. Il comporte les premiers rythmes Balax, le Star Number One. Namo, namo inkoya, sange mala mala sa manenguya fonya. Maria ma Maria ma Maria suis avec un groupe très peu connu, deux albums tout au plus. Peu ou pas d'infos sur les protagonistes, mais j'ai chopé un, enregistrement d'anthologie sur le net à la belle époque. Elle est un peu révolue cette belle époque puisque les, tous les blogs sur lesquels je me fournis euh, allègrement depuis euh, bah, plus d'un an, eh ben, subissent des pressions avec des fermetures de la fermeture de leur site ou des problèmes avec les, liens qui permettent de, télécharger les albums. Bon, ça, va peut-être s'arranger, j'en doute, mais euh, bon. Donc j'en profite. Et ce groupe Canary de Kaolac, c'est vraiment un excellent, un excellent groupe et l'album regorge de tubes en puissance même s'ils n'en sont pas. Tantôt speed, tantôt cool, une section cuivre euh, minimaliste avec sax trombone. Au moins deux chanteurs, un percussionniste Otama qui envoie la sauce et qui assure à lui tout seul la rythmique. On s'écoute deux titres euh, de ce petit groupe qui, euh, mériterait d'être plus connu. S'appelle Le Canari de Kaolak, L'album, je me souviens plus le nom. Le premier morceau, ce sera Kedo et le second Calice. Voilà pour ces deux titres du Canari de Kaolac. avec euh, Papé Sec qui décide de quitter le Star Band de Dakar pour le Star Number One en 75. Et à cette date, ils fondent le Number One, un des premiers orchestres à introduire des instruments traditionnels sénégalais comme les sabars et tamars dans la musique afro-cubaine. Auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, flûtiste, saxophoniste éclectique, papé sec, fan de latin jazz lance un style euh, inédit alliant salsa et rythmique euh, sabar, ce qui deviendra ensuite le mbalax. Le number one sera un des groupes phares de la scène sénégalaise jusqu'au début des années 80. On écoute deux titres d'un même album, Paris en 1980, le number one du Sénégal. San Francisco. dans un registre euh, moderniste. Wato Sita, qui signifie le temps est arrivé, est un groupe formé autour d'André Lowe et de Soleya Mama alias Echar euh, So. C'est son petit nom. Ce dernier était député du Parti écologiste du Sénégal sous la dernière mandature de Abdoulaye Ouad. Euh, le groupe enregistrera deux albums fortement influencés par euh, les sonorités afro-américaines. Ça ne s'entend pas du tout sur le morceau qui suit, puisque ça sonne euh, relativement traditionnel. Il s'agit du morceau Jambar, le brave, qui parle de Mam Gai, le champion sénégalais de lutte de l'époque, le sport national là-bas. Wato Sita, Breleno gornji, breleno, Mamgol ginyona, mamgol ginyona. Mamgol ginyona, jambar ginyona. Jambar ginyona, jambar ginyona. Jambar ginyona, jambar ginyona. Jambar ginyona, jambar ginyona. Jambar ginyona, jambar ginyona. Jambar ginyona, jambar ginyona. Jambal Ginyona, Jambal Ginyona. Jambal Ginyona, Jambal Ginyona. Jambal Ginyona, Jambal Ginyona. nada. jamba ji ñëw na jamba ji ñëw na jamba ji ñëw na jamba ji jamba ji influencé par la musique euh, afro-américaine, Xalam est emmené par euh, son batteur Prosper Nyang. Il s'agit de la version B de Xalam qui a vu le jour en 1968. D'après le nom du luth euh, Wolof, Xalam qui marque un retour à la tradition en plein règne afro-cubain, Xalam 2 renoue avec les sonorités traditionnelles Wolof comme les tambours d'aisselle, les tamas et dépasse rapidement son aîné en termes de popularité et ne se fait plus appeler que Xalam. On écoute un titre euh, d'un de leurs albums de 1975, Mbai Sasu. Après cet album, ils évolueront davantage dans l'afro-jazz. Pour la petite anecdote, ces mecs, euh, Xalam, on les retrouve dans le film Marche à l'ombre avec euh, Michel Blanc et son collègue Gérard Lanvin. Une comédie des années 80 à un moment donné du film, ils sont dans un squat et Lanvin joue avec un groupe afrobeat, afro-jazz. Ce sont eux dans les années 80 avec quelques ballets en plus. C'est un style qui n'a plus rien à voir avec le titre qu'on écoute maintenant, Xalam. karta bansaxo mariñer mana yele yayo o yele wuleya mana yele yayo o yele wuleya première émission des, de celle consacrée à la musique populaire sénégalaise des années 60, 70 euh, et 80. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même vibes. à plus. C'était à la recherche du groupe perdu sur euh, Ciao.